Tony Eliou Melou nga xam ne moom mooy seen directeur général mooy seen président directeur général nga xam ne dafa jàpp ne moom Afrique ay africains ñoo ko war a liggéey pour Afrique moom mooy développer Afrique mu jël nekk loolu ci fànn boobu jàppale ay xale yu nga xam ne dañoo am ay projet lu am solo la moo tax mu ne chaque année dina jël ay xaalis bu bari ay millions de dollars jàppale ñi nga xam ne am nañuy projet yu mën yu ñu gis ne mën na mën nañ ko mën nañ ci liggéey jàppale leen may leen may leen yu ñuy wax cinq mille dollars cinq mille dollars bu ñu ko jëlee mooy ëpp na tey xaw na jege ji ñetti millions loolu nag war ne na na kuy doon di génn ci école bu ñu la ko joxee di nga am loo ci mën a def Nous avons choisi le ministre de l'enseignement supérieur qui pour liggéey avec nous ci xëyu ndaw yi nga projet président de la république Nous avons choisi le ministère de l'enseignement supérieur parce que nous gis ne ISEP yi avons formé di diplômes. jox avons diplôme ñooñu buñ leen dinañu def liggéey bu nga financer

ak seeni liggéeyukaay dinañ ko mettre à la disposition ñi nga xam ne am ay projet pour ñu xool nag lañ leen jappalé que ñu buñ démé ci fan yi tànn ñan lañuy wara jox ñu mën leen jox. nous sommes là aujourd'hui euh, pour euh, présenter euh, le projet euh, Tony Elumelu Foundation euh, qui finance des jeunes entrepreneurs euh, sur la base de projets soumis par euh, ces jeunes. On a l'habitude de faire ça euh, dans les 54 pays. Et cette année particulièrement, nous avons décidé de travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour essayer de promouvoir au maximum euh, les étudiants. Parce que nous avons vu le travail déjà établi par le ministère avec la mise en place des ISEP et qui sont des jeunes prêts à euh, être opérationnel. Et donc, ces jeunes-là, si on, met, euh, on leur permet de, sur la base de projets, de montrer ce qu'ils veulent mettre sur le marché, euh, la fondation est dans les dispositions, comme c'est le cas aujourd'hui pour Ubier, dans les lignes de UBA comme son nom l'indique, on a dit United Bank for Africa. Et United Bank for Africa veut tout simplement dire pour les Africains. Et donc aujourd'hui, pourquoi nous avons ciblé le ministère de l'enseignement supérieur euh, C'est bien réfléchi, comme j'ai dit, par rapport à ce qui a été déjà mis en place et par rapport à nos objectifs sur le développement de l'Afrique. Et on est conscient que le développement de l'Afrique se fait par les jeunes et des jeunes instruits. Et aujourd'hui, de ce que nous avons vu, nous en sommes dans les dispositions pour vraiment accompagner. Et nous remercions le ministère qui a bien accueilli cela et qui aujourd'hui euh, est en train de mettre tous les moyens pour vraiment la réussite de ce partenariat et de ce projet. Notre objectif, parce que c'est un concours, euh, disons, international, où les 54 pays de l'Afrique sont concernés, euh, on va laisser un concours dans un concours. Parce que puisque sur le podium, au Nigeria. Euh, il y aura tous les autres pays représentés. Nous, notre objectif aujourd'hui, que sur le podium, le maximum de lauréats soit des, des Sénégalais, de surcroît des étudiants. Et ça, c'est une publicité pour le Sénégal, pour dire la qualité des étudiants, des jeunes étudiants sénégalais, de la jeunesse sénégalaise, la qualité de leur euh, mindset, la qualité de leur pouvoir à vouloir développer l'Afrique. Donc ça, c'est notre objectif et nous invitons tout le monde aujourd'hui à adhérer à ce projet par le biais, comme j'ai dit, euh, du ministère, en partenariat avec tous les étudiants et tous ceux qui peuvent y adhérer.